Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au Forum de la presse de Sud votre rendez-vous hebdomadaire de décryptage de l'actualité de la semaine qui s'achève le numéro du forum de ce vendredi, nous allons parler des engagements pris par la ville de Niamey pour l'opérationnalisation de l'initiative zéro classe en paillote dans la capitale. Ensuite, il sera question de l'adoption le 30 juin dernier par le Parlement de la loi minière revisée visant entre autres à redynamiser la, gouvernance et la transparence dans les instituts extractifs. Puis à l'international, le retour de quelques heures au Burkina Faso de l'ancien président Blaise Campauré après huit ans d'exil et quelques mois après sa condamnation à perpétuité pour son rôle dans l'assassinat de son prédécesseur Thomas Sankara. Enfin, nous parlerons de l'arrestation dimanche à l'aéroport de Bamako par les autorités maliennes de 49 militaires ivoiriens qui sont arrivés sans autorisation. Pour décrypter ce sujet, j'ai le plaisir de recevoir dans ce studio Mme Maimouna Diado, elle est journaliste indépendante. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Sidi Ousmane, journaliste indépendant. Bonsoir. Bonsoir. Et Hassan Boukar, il est journaliste à la radio Alternative. Bonsoir. Bonsoir. Je suis Nafisa Adam Sirfa, la modération. à tous ces chers invités. Merci d'être venus. L'opération Zéro Classe en Payotte dans la ville de Niamey a été lancée le mercredi 6 juillet au cours d'une table ronde ici à Niamey. Une initiative de la ville qui entrera très bientôt dans sa phase opérationnelle. À l'occasion de cette table ronde, le directeur régional de l'éducation de Niamey a présenté la situation des classes en paillote de la capitale ainsi, il ressort que dans les 7371 établissements scolaires de la région, il y a 1900 classes en paillotte qui sont un frein pour le bon déroulement des cours. Je commence par vous, Madame Maimouna Diado. Cette initiative Zéro classe en euh, qui rentrera bientôt dans sa phase opérationnelle, comment vous appréciez cette initiative de la ville de Niamey euh, Merci Nafisa. Euh, comment j'apprécie cette initiative de la ville. Euh, je, l'apprécie euh, fort bien, puisque on parle de classe en paillotes et on parle également de l'amélioration des conditions d'études des enfants. Mhm. Donc, il faut nécessairement un soutien également de la population par rapport donc à ce à cette initiative. Mhm. Maintenant, est-ce qu'ils pourront avant la rentrée scolaire, euh, faire en sorte qu'il n'y ait plus de classe zéro classe en payotte à mhm. Niamey. Mhm. C'est ça aussi qu'il faut se demander. Il faut se poser la question. Mais l'un dans l'autre, c'est une belle initiative et l'un dans l'autre, on l'encourage. Mhm. On encourage en tout cas la ville de Niamey à aller un peu plus loin dans ses réflexions Ils ont fait même une récolte de fonds. On espère que. Oui, la récolte de fonds, on espère que ça pourra euh, un peu suffire pour euh, démarrer mhm. en attendant bien sûr que les partenaires puissent également. Euh, emboîter le pas. Mhm. Et là, il faut également qu'il y ait le COGES, ou bien je ne sais pas ce que... Le comité, le comité de gestion, oui, oui, Au sein des écoles. Au, au, sein des écoles aussi, je pense qu'ils ont leur mot à dire par rapport à ça, puisque quand on prélève de l'argent avec les enfants, c'est pour pouvoir également appuyer et mettre en, faire en sorte que les conditions d'études de ces enfants-là soient améliorées. Donc je pense qu'avec tout ça, avec tout ce que nous avons comme parents d'élèves, nous avons également comme le ministère de l'Éducation nationale et les partenaires, mhm. ça pourrait bien marcher. Et maintenant, ça pourrait servir d'exemple également euh, aux autres euh, région mhm. euh, pour qu'ils euh, puissent faire la même chose. pour que, au lieu que ça soit zéro classe en paillotes à Niamey, que ça soit également zéro classe en paillotes partout au Niger. Surtout si on sait que euh, au cours de l'année scolaire, avec ces classes en paillotte euh, qui avaient fait des dégâts dans les établissements avec les incendies. C'est ça, ça, même qui a mhm. dû interpeller les autorités communales. C'est ça qui a dû les interpeller. Parce mhm. que si on continue à laisser des classes en paillotte et des écoles qui ne sont pas clôturées, mhm. parce qu'il faut parler de ça aussi, ça ne sert à rien de construire des classes en matériaux définitifs et se retrouver avec une école qui n'est pas clôturée. Ça aussi, c'est un danger. Mhm. Je pense que vraiment, c'est ça, c'est une bonne chose et on ne peut que les encourager à aller de l'avant par rapport à ça. Une bonne euh, initiative, mais Monsieur Sidikou, êtes-vous optimiste quant à l'effectivité de cette euh, initiative Zéro Classe en Payotte, eh, absolument, madame. Je ne veux pas jouer les oiseaux de mauvaise <laughs> augure, mais toujours est-il qu'il faut apprécier l'initiative euh, à sa juste valeur. Mhm. je ferai abstraction de tout ce qu'a eu à dire Maimouna quant au cas assez récurrent d'incendie qu'on a su déplorer, que ce mhm. soit ici à Niamey, dans la capitale et, en région. Donc, euh, pour l'opérationnalisation, ça allait être beaucoup plus euh, effective si effectivement tous les acteurs, je dis bien tous les acteurs de la chaîne mhm. euh, sont euh, impliqués. Il ne faudrait pas qu'on mette à l'écart certains maillons de la chaîne mhm, mhm. Euh, pour des dessins bien inavoués, mais il faudrait vraiment l'implication nette et entière de tous les acteurs de, l'éducation. Ainsi, en donnant le temps, le, le, le conseil de ville, j'espère, a eu à à défalquer, je sais pas, certains de ses émoluments, comme il quoi a, a versé l'indemnité de euh, l'intégralité de, ses indemnités de 2022. Donc, euh, voyez-vous, c'est une très bonne chose. Mhm. Maintenant, euh, les autres doivent lui emboîter les pas, mais mhm. ce mais c'est pas pour autant que l'État ne prenne pas le devant en invitant les partenaires. Vraiment, c'est ça où j'ai dit tous les acteurs vraiment doivent être impliqués. Et il suffit pas de collecter, il faudrait que vraiment l'on sache que tout l'argent collecté, ce à quoi il est destiné, il faut qu'il y ait une gestion transparente. Moi, je pense que euh, s'il y a un suivi, si... Il faut mettre des comités de suivi. Il faut, en tout cas, il faut mhm. avoir l'œil très regardant euh, quand euh, vous savez que la plupart de, <laughs> de nos étudiants, face à l'argent, la tentation, elle est grande et assez forte. <laughs> Mhm. Je pense que l'initiative, elle est assez louable. C'est mhm. pourquoi je dis, elle est salue à sa juste valeur. Maintenant, dans l'opérationnalisation, il faudrait qu'il y ait un œil assez regardant du début jusqu'à la fin pour que nous ne revivions pas ce à quoi nous avions assisté mhm. dans les mois, années antérieures, aussi bien à Niamey qu'en région. effectivement. Et nous savons que euh, au cours de cette table ronde, c'est toute euh, l'intégralité de ces indemnités de l'année 2022 que le maire de Niamey a versé pour euh, l'effectivité de cette initiative. les dix députés de la ville aussi ont versé chacun un million, soit 10 millions. Et la ville de Niamey donne un milliard de francs CFA pour cette initiative. Donc, la contribution de l'État aussi est attendu, Monsieur Hassan Boukar. Oui, <clears throat> je pense que c'est une bonne initiative. Mm-hmm. C'est dommage qu'on ait attendu tous ces drames <clears throat> à Niamey, à l'intérieur, pour euh, prendre cette décision. Mais là, on voit que le, maire de Niamey prend un vrai leadership sur la question. Il prend le devant, oui. Voilà, et c'est mm-hmm. extrêmement important. Alors, euh, ils ont besoin, selon ce que j'ai compris, d'une vingtaine de milliards mm-hmm. pour arriver à le faire. Alors, qu'ils donne l'exemple, c'est déjà une bonne chose. Évidemment, ça ne remplace pas un véritable plan de l'État pour qu'il n'y ait plus de classes en paillote au Niger. Alors, <clears throat> certaines informations laissent croire qu'il y a à peu près 34 000 classes en Payote sur mm. l'ensemble du territoire national, donc, euh, dont à peu près un peu moins de 2 000 à Niamey, c'est ça. Donc, c'est bien, il faut que l'État puisse arriver aussi à le faire. Je pense que ça permet de sécuriser les enfants, euh, les drames qu'on a vécu à Maradi, au quartier Pays-Bas, on ne peut pas les oublier de sitôt. C'est quand même quelque chose d'extrêmement, dramatique. Il mm-hmm, mm-hmm. serait bien donc de prendre des initiatives, qu'on ait vraiment des classes. Maintenant, euh, l'effectivité, ça renvoie à euh, arriver vraiment à le faire dans les normes. Mm. Dans les normes, c'est-à-dire Voilà, dans les normes, c'est-à-dire on a vu des classes s'effondrer chaque fois que vous lancez une opération d'envergure, de la précipitation, parfois ça prend une dimension politicienne. On veut donner les marchés à des personnes qui ne sont pas capables de le faire. Mm-hmm, mm-hmm. On veut sécuriser des militants. On veut... Donc, parfois, malheureusement, il y a l'affairisme qui prend le dessus sur, euh, sur l'utilité, sur les choses qu'on veut faire. Euh, s'il y a vraiment un suivi, puisque le maire de Niamey veut prendre le leadership. Il y a aussi un intérêt politique pour lui. Hein. Il est maire de la capitale, il prend le leadership, c'est une question d'intérêt national. Mm-hmm. Ce serait aussi à son crédit de réussir effectivement mm-hmm. ce programme. C'est-à-dire qu'on ait l'ensemble des classes en période totalement reconstruites pour les remplacer par des classes en matériaux définitifs, qu'il n'y ait pas de scandale de détournement, mhm. que ça ne débouche pas sur des cas que les classes soient euh, construites en matériaux définitifs. Il y, a des normes et tout ça, il faut, mhm. il faut, il faut qu'on arrive à les faire. Et j'espère que on pourra aussi arriver à un niveau où on aura les ratios d'élèves dans une classe. À Niamey, malheureusement, vous avez Parce que pléthorique, totalement pléthorique. une centaine d'élèves dans une classe, c'est Voilà. Là, déjà, remplacer les classes en période, c'est une bonne chose, mais faisons en sorte qu'il y ait plus de classes à Niamey, mm. mais aussi ailleurs au Niger, pour qu'il n'y ait pas ces élèves, 80 élèves dans une même classe, c'est mhm. pas, c'est pas, c'est pas bon. Oui. Euh, mhm. Voilà. Justement, sur quoi même l'État doit mettre euh, l'accent à part euh, cette question de zéro classe en période ici à Niamey dans le secteur éducatif Mais la question de... Là, on améliore l'accès, on, on, améliore les conditions de présence des élèves dans les écoles, etc. Mais l'autre dimension que tout le monde décrit aujourd'hui, c'est la qualité de l'éducation, la qualité de la formation on va à l'école, on n'apprend pas. Enseigner, Voilà, mhm. on, a, connu les états généraux de l'éducation, on a fait des grands débats sur le système éducatif, on a eu la loi d'orientation du système éducatif depuis la, la, la, 4 République, tout mhm, ça. Mhm. Mais aujourd'hui, ce sur quoi euh, personne n'est satisfait, c'est la qualité de l'éducation. Donc, euh, si il faut revoir euh, cette question. Oui, si tu n'as pas un bon système éducatif, tu n'as pas d'administration. Mhm. Parce que... Effectivement, <laughs> l'évaluation qui a fait... Donc voilà, je pense que les défis, les défis qui attendent l'éducation, c'est de pouvoir dire quel type de système éducatif on veut vraiment dans ce mhm. pays euh, nous donner les moyens d'avoir une école qui donne satisfaction à ce pays. Pour mhm. l'instant, personne n'est satisfait. Mhm. Bon, on dépense des ressources chaque année à travers le budget national, mais au fond, on n'est pas satisfait. Donc, remplacer les classes en paillotes, mhm. c'est une étape. J'espère que cette dynamique va se poursuivre à poser un vrai débat, un vrai débat sur la question des contracteurs aujourd'hui. voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses. Vivement donc la concrétisation de ce projet de la ville de Niamey. On espère bien que les autres régions puissent euh, emboîter le pas à la ville de Niamey. Nous passons donc au deuxième sujet de ce forum de la presse. Le Parlement nigérien a adopté le 30 juin dernier la loi minière revisée. Elle vise entre autres à redynamiser la gouvernance et la transparence dans les industries extractives le réseau des organisations pour l'analyse et la transparence budgétaire rotable qualifie l'adoption de cette loi d'une avancée, mais il relève que certaines de leurs euh, préoccupations n'ont pas été prises en compte. Je vous propose à cet effet d'écouter Ilias Boubacar, il est membre du ROTAB. Il est interrogé par Asman China. Il y a des innovations qui sont contenues dans ce code-là, notamment les questions de contenu local, les questions de droits humains, les questions aussi des exonérations accordées aux compagnies extractives qui ont été travaillées et discutées. Cependant, nous, en tant qu'acteurs de la société civile, particulièrement celles qui travaillent dans le domaine des industries extractives, nous avons dit au moment des faits, non seulement au ministère, mais aussi aux parlementaires, il y a un certain nombre aussi de questions qui reste en suspens, que nous avons souhaité voir euh, le gouvernement prendre à travers cette euh, loi minière. C'est la question par exemple de la nigérisation de l'emploi. C'est vrai, ils ont parlé de la nigérisation d'emploi, mais c'était de manière vague. Pour nous, on a fait des propositions pour leur dire, par exemple, il faut donner un délai. C'était là donc euh, Ilyas Boubacar, membre du ROTAB, qui réagit après donc euh, l'adoption par le Parlement de la loi minière. Alors vous, euh, Monsieur Sidikou, le ROTAB révèle que c'est une avancée avec cette adoption, mais que certaines de leurs préoccupations n'ont pas été prises en compte. De votre côté, quelle réaction suscite en vous vraiment cette révision de la loi minière comme ils l'ont dit, c'est bon, mais ça n'est pas encore arrivé. Donc, mhm. les questions qui restent en suspens, J'aurais voulu, de concert avec euh, les parlementaires, le gouvernement, les acteurs euh, œuvrant dans le domaine, puisse puissent se retrouver à travers un cadre pour véritablement poser euh, les jalons. Il ne faudrait pas que le problème reste et demeure entier, même si d'aucuns pensent qu'il a été résolu, mhm. ne serait-ce qu'à moitié notamment la question de la nigérisation euh, des, postes, comme ils l'ont déploré. Mhm. Moi, je pense que ça ne coûtait rien au Parlement de prendre, ne serait-ce qu'en dépêchant des missions terrain ou bien des, visites, mhm. pour aller voir, ne serait-ce que prendre le pouls de la situation, pour que, effectivement, même si ça va, ça, ça va être euh, repoussé aux prochaines sessions, de, de, l'inclure. Bon, maintenant, euh, quels seront les mécanismes qui vont être mis en place pour que ce point si important-là, qui est euh, occulté, parce que j'ai dit qu'il est occulté, ils auraient dû vraiment euh, l'inclure pour qu'effectivement l'on tende vers cette nigérisation mhm, mhm. des postes. Parce que quand vous regardez dans ces entreprises, euh, franchement, euh, le tableau, le tableau n'est pas aussi assez reluisant. Moi, je pense que euh, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Certainement, ils doivent se donner les moyens, les parlementaires, tout comme le gouvernement, à créer le cadre, le cadre vraiment pour que euh, on aime serre ou bien qu'il ratisse large. Euh, on ne peut pas satisfaire sur toute la ligne, d'accord, mais quand même la majorité des points, la majorité des mm-hmm, points mm-hmm. Euh, puissent être inclus. Donc, à l'épreuve des faits, c'est une bonne chose. Mm-hmm. Il ne faudrait pas que nous assistions à quoi nous avions assisté dans l'optique de vraiment satisfaire beaucoup plus les compagnies là que euh, de, de, satisfaire, ben, de répondre aux attentes légitimes euh, des populations. si on sait que tous les problèmes liés au secteur minier ici au Niger. Tout à fait, mhm. puisqu'on en a assez connu. Alors c'est une avancée cette adoption Hassan Boukara. Selon vous, quels peuvent vraiment être les enjeux de cette euh, révision pour le secteur minier ici au Niger <coughs> Merci beaucoup. Je pense que dans ce domaine, depuis quelques années, tout cas depuis la conférence nationale, je veux dire, hein, depuis pratiquement un quart de siècle, l'enjeu c'est quelle est notre capacité vraiment à profiter de nos richesses. Donc, quand on parle des ressources minières, <clears throat> l'exemple qui vient souvent en tête, c'est la question de l'uranium, par exemple. Le Niger est un grand producteur d'uranium, <clears throat> mais au fil des années, on s'est rendu compte que les retombées de l'uranium, c'est l'économie nationale, c'est le budget national, c'est des choses qui sont minimes. Euh, à un moment, le gouvernement lui-même est sorti pour dire qu'il y a à peine 5% de contribution de, l'uranium au budget mhm. national, ce qui est vraiment minime, alors que pendant longtemps, l'uranium était le premier produit d'exportation du, Niger. Donc, <clears throat> je pense que l'enjeu aujourd'hui, c'est comment prendre euh, un cadre législatif qui garantisse véritablement les intérêts de ce pays. Mhm. On est actuellement dans un contexte mondial où le nucléaire euh, fait l'objet de beaucoup de débats. Mhm. Surtout euh, avec la crise. Euh, on peut parler même des régions hein, dans certains zones. Par exemple, vous avez une opinion publique au vu des conséquences du nucléaire qui est vraiment opposée aujourd'hui euh, au nucléaire, même civil et tout ça. Mm. Mais c'est des choses qui vont revenir parce que on n'a pas encore une alternative au nucléaire et donc il y aura encore un intérêt renouvelé mm-hmm, mm-hmm. des grands consommateurs sur ces questions-là. Donc je pense que pendant ce moment, la question c'est comment faire en sorte, au vu des expériences passées, pour que le Niger puisse véritablement profiter de, ces, richesses. Mhm. On parle du contenu local, euh, tout ça, c'est bien. Euh, la question, c'est jusqu'à quel niveau les entreprises qui exploitent dans un environnement, dans une zone, etc., mhm. font face à leurs obligations pour les populations locales, mhm. comment prendre en compte les questions de l'environnement, etc. Mais c'est surtout comment faire en sorte que les pays puissent profiter. Mhm. Quand on parle de la nigérianisation des cadres, moi je ne le vois pas simplement dans une démarche de donner du travail au Nigériens. C'est extrêmement important. Mhm, si on voit la région d'Agadez, euh, il y a eu beaucoup de débats sur ces questions. Par exemple, euh, à la suite des euh, rébellions que la région d'Agadez a connues, il y a eu toujours la question de est-ce que vraiment les gens de la région trouvent de l'emploi Et surtout avec la fermeture aussi euh, de, oui, oui, oui. mais, je veux dire, la question de, la génération des cadres, moi je le vois surtout sur la capacité de notre pays à développer une expertise. C'est-à-dire faire en sorte que ça fait pratiquement 50 ans qu'on exploite l'uranium. Mhm. Est-ce que nous sommes capables de développer une véritable expertise mhm. pour que si les autres arrivent, OK, ils ont les capitaux, mais que l'expertise puisse exister au niveau national. Mhm, euh, même si on dit on va nigérianiser les cadres, qu'est-ce qu'on voit On voit que sur les travaux les plus pointus, c'est toujours des expatriés parce qu'au niveau local, on n'a pas l'expertise. Donc il faut absolument développer l'expertise, que ce soit sur les mines, que ce soit sur les pétroles. Il faut développer l'expertise de mhm. façon à ce qu'on soit capable d'être autonome. autonome Aujourd'hui, des années on durant. Voilà, on n'a pas de contrôle parce que du point de vue de l'expertise, on n'est pas bien assis. Quoi. Mhm. Quand je parle de l'expertise, je vois à la fois des techniciens dans le domaine des mines, mais, regardez par exemple du point de vue du droit. C'est le domaine dans lequel un jour ou l'autre vous êtes en contentieux avec des partenaires. Mm-hmm. Mais est-ce que vous avez une expertise, des avocats, du point de euh, vue du droit L'expertise doit être euh, mise en avant. Voilà, pour moi, les cadres, oui, c'est à la fois donner de l'emploi à des Nigériens, c'est des richesses nationales, mm-hmm. mais aussi faire en sorte qu'on ait une véritable expertise nationale sur mm-hmm. ces domaines-là. Vous, Memouna, de votre côté, que doit-on attendre de l'État quant à l'application de cette loi euh, ce, qu'on doit, ce que moi j'entends de l'État, c'est véritablement la vulgarisation d'abord, la mm-hmm. vulgarisation de cette loi mm-hmm. et surtout euh, aller vers les communautés, parce qu'il faut que ces communautés sachent au moins euh, qu'est-ce qu'il en né de cette nouvelle loi. Mm-hmm ça concerne, ça devrait concerner euh, directement ces communautés, parce que ce sont ces communautés, c'est euh, la majorité de la, des revenus doivent appartenir à ces communautés. C'est avec ça que la communauté doit en fait se développer. Mais aujourd'hui, si cette communauté ne sait pas en fait ce que les retombées qui leur reviennent, mhm, mhm, mhm. donc moi je me dis que c'est peine perdue. Donc véritablement, c'est la vulgarisation et l'accompagnement de l'État pour euh, véritablement pour qu'on aille au-delà de cette vulgarisation, mhm. euh, euh, concrétiser. la concrétisation. La concrétisation donc, de cette loi. Et maintenant, parlons également de, cette nigérisation, mhm. euh, moi je me dis également, je rejoins ce que Hassan, Boukar. et Sidiko ont dit. Mhm. Véritablement, il faut d'abord former. Il faut d'abord former ces Nigériens mhm. pour qu'on puisse avoir l'expertise. Mais si on n'a pas l'expertise, euh, c'est peine perdue parce que mm. les places que vont occuper ces, ces, jeunes Nigériens, est-ce que ce, seront des, des, places mm. où ils seront capables, en tout cas, euh, d'exercer mm. le travail Maintenant, parce que nous avons vu que c'est un secteur où il y a eu tellement de licenciements abusifs, tellement de licenciements. Il y a des dossiers qui sont là. il y a beaucoup, de contentieux. Il y a, des gens jusqu'à présent qui ne sont pas rentrés dans leurs droits. Il faut également essayer de voir comment est-ce qu'il faut remettre ces gens-là dans leurs droits. Mhm. Je ne dirais pas de les ramener pour travailler, mais s'il y a la possibilité aussi de les ramener pour qu'ils puissent travailler, vraiment, ça ne serait pas euh, peine perdue. Mhm. Maintenant, il faut, mettre, il faut prendre en compte tout ça. La ministre, elle est elle veut bien faire. Donc, elle doit également essayer de parler avec euh, ces, organisations mhm, qui, qui œuvrent, qui oui, qui œuvrent dans, comme Rotab et les autres qui sont là. C'est parce que tout simplement, on ne prend pas en compte euh, certaines préoccupations de ces structures qui sont d'ailleurs tout le temps sur qui le sont terrain, sur le terrain parce que mhm. ce sont l'État veut ou pas, il doit l'État doit composer ah, avec ces structures-là. Mm-hmm. Parce que ce sont ces structures-là qui sont sur le terrain. Mm-hmm. Ce sont ces structures qui voient ce qui se passe sur le terrain. Mm-hmm. Ils sont en fait les porte-parole de euh, ces communautés. Donc il faut nécessairement, quand ils disent qu'ils veulent que, voilà les points qu'ils veulent qu'on inscrit dans euh, cette loi, nouvelle loi, mhm. il le faut. Il faut aller vers vraiment ces structures-là. Mhm. Moi, c'est ce que je vois. Et, faire en sorte qu'il n'y ait plus de licenciement abusif. Alors, vous, euh, oui, Hassan, vous, Ce que je veux dire, les secteurs, mhm. le secteur les euh, richesses du sous-sol, hein, c'est quand même des domaines dans lesquels il y a beaucoup d'enjeux. On voit aujourd'hui le positionnement des grandes puissances à l'échelle régionale, à l'échelle mondiale. Un des enjeux, ce sont ces richesses. Donc, pour un pays, être capable vraiment de profiter de ces richesses, mm. il faut aussi un minimum de courage. Parce que ce qu'on a vu dans les années passées, ben, personne ne sait si l'uranium vraiment appartient au Niger. Hein. Mm-hmm. Euh, ceux qui sont venus d'ailleurs, ils ont eu le contrôle, ils ont pris le <laughs> contrôle comme si... Mm-hmm. Euh, Ça leur appartenait. voilà, donc je pense qu'il ne faut pas que les gens se fassent des illusions. Mm-hmm. Faire un texte de loi, c'est bien, mais il faut euh, des dirigeants capables de se sacrifier mm. pour leur pays mm. afin de mettre en œuvre ces dispositions-là, aussi belles soient-elles. Donc ça va être un vrai enjeu, il ne faut pas mm-hmm. se faire d'illusions. Un fort engagement. Voilà, Un, texte de loi, c'est bien, <laughs> mais ça ne va pas tout régler. Oui, mais justement, vous, c'est du coup, quelles peuvent être vraiment les retombées d'une telle loi pour, le, pour un pays les retombées, euh, elles peuvent être euh, assez diverses et multiples. Mm-hmm. C'est là où je suis d'avis avec Hassan quand il dit au-delà des textes, au-delà de ceci, cela, vraiment le plus gros, le plus gros, c'est cet engagement politique fort. Mhm. Il faudrait que de l'autre côté, qu'on sente qu'on a un vis-à-vis et que euh, les, choses doivent se faire dans les règles de l'art. Mhm. Euh, ils l'ont dit à un moment donné, euh, la France n'a pas d'amis, elle n'a que ses intérêts à défendre. Donc tout comme le Niger aussi n'aura pas d'amis, le Niger n'aura que ses intérêts à défendre. Mais pour mm. que ces intérêts soient valablement et dignement défendus, mm. je suis parfaitement d'accord qu'il faut un fort engagement et politique. Et pour qu'il y ait ce fort engagement, moi je pense que tous les acteurs, tout le monde doit faire chorus derrière qui de doigt pour qu'effectivement il y ait de, de, de, de de l'autre côté. Nous allons donc marquer une petite pause avant de poursuivre ce débat. l'actualité internationale, l'ancien président Blaise Compaoré est arrivé à Ouagadougou jeudi 7 juillet après huit ans d'exil pour une visite de quelques heures. Mais ce retour a suscité de nombreuses critiques, notamment concernant sa condamnation par contumance le 6 avril pour son rôle dans l'assassinat de son prédécesseur Thomas Sankara lors d'un coup Détail qu'il avait porté au pouvoir en 87. Blaise Campaoré se serait rendu au Burkina Faso à l'invitation de l'actuel chef de l'État, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandago Damiba. Mais avez-vous d'autres informations sur la visite de Blaise Campaoré au Burkina Faso euh, Je n'ai pas une grande information. Euh, ce que vous venez de dire, c'est ce que moi aussi j'ai mhm. comme information. Mais ce qui est sûr, euh, le retour de Blaise Campaoré au niveau de Burkina Faso a suscité en tout cas beaucoup, de, euh, <laughs> beaucoup de bruit. Ça a fait beaucoup de bruit parce que les gens euh, n'arrivaient pas à comprendre que quelqu'un qui est condamné par la justice soit reçu au palais présidentiel. la société civile a décrié cela. On parle de réconciliation nationale. Mais est-ce que pour la réconciliation nationale, est-ce qu'il n'y a pas un moyen, je ne sais pas, d'éviter hmm. euh, certaines choses Parce que la justice, la justice c'est la justice. L'État, c'est l'État. Hmm. Maintenant, vous voulez <laughs> qu'il y ait une réconciliation nationale. Vous prenez quelqu'un qui a déjà euh, été condamné, par la justice, hmm, vous le ramenez. Et, et ceux qui, aujourd'hui, il a fait du mal à ces familles-là. Mhm. Vous réglez cette situation comment mhm. Parce que c'est deux poids, deux mesures dans cette situation. Moi, je me vois déjà la famille de Thomas Sankara ne pas apprécier ça. Et mhm. aujourd'hui, au-delà de la famille de Thomas Sankara, Thomas Sankara, c'est pour toute l'Afrique. partisans, oui. C'est pour hein. toute l'Afrique. Dans chaque pays africain, il y a les partisans de Thomas Sankara. Effectivement. Donc, ça veut dire que c'est peine perdue pour ces partisans qui ont mené la lutte depuis plusieurs années depuis plus de 35 ou 37 ans en train d'attendre. Donc, euh, si on comprend, on a remis en cause même euh, cette condamnation par la justice. Mais oui, évidemment. Mhm. Parce que si tu es condamné et, qu'on te voit aujourd'hui fouler le pays sans euh, crainte, sans, rien reçu par le président, euh, ça veut dire qu'il faut se poser beaucoup de questions. Mhm. Moi, je me dis que ce n'est pas une réconciliation. On parle de réconciliation nationale pour faire sortir le Burkina Faso de cette crise euh, d'insécurité, mais est-ce que ça peut résoudre le problème de cette insécurité mhm. Il faut aussi se poser la question. Et aujourd'hui, il faut se poser aussi la question de savoir qui est derrière cette réconciliation nationale. Mhm. Puisque si un président qui a été condamné, aujourd'hui, il, revient dans son pays sans être inquiété. Mm. C'est-à-dire que c'est un mauvais exemple qu'on donne aux autres pays africains mm. aussi. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on peut tuer, on peut faire tout et on peut revenir sans être inquiété. C'est du coup, euh, si euh, Blaise Campaoré, comme euh, on l'a appris, s'est rendu au Burkina Faso à l'invitation de l'actuel chef de l'État, est-ce à dire qu'ils ont besoin de Blaise pour gérer certaines situations telles que l'insécurité qui prévaut au Burkina euh, vous savez, bien avant l'arrivée de, euh, de Blaise Compaoré, la gente a eu à créer le cadre, notamment dans un premier temps avec euh, euh Rock Mark et Jean-Baptiste Jean mhm, mhm. C'est-à-dire la démarche peut-être de la junte, c'est de créer le cadre pour faire effectivement appel à à l'expertise des anciens chefs euh, d'État euh, pour pouvoir tabler et voir, euh, entrevoir les voies et moyens à travers lesquels la jeune pourrait à, résoudre, la crise sécuritaire. Aujourd'hui, c'est un secret de polichinelle. on a comme l'impression que effectivement sur le volet sécuritaire la situation est en train de dépasser les autorités de, la transition. Mm. Maintenant, vouloir faire appel, que ce soit avec, à Blaise, ou à Roc, est-ce que eux aussi ne sont pas dépassés euh, par les événements Parce que autre temps, autre mœurs. Mm-hmm. Aujourd'hui, quand vous voyez les opérations, comment procèdent ces mouvements terroristes, ce n'est nullement pas le cas mm-hmm. au moment de, de, de, Blaise. Est-ce que Blaise a cette emprise ou bien a, cette même mise euh, à, créer les conditions pour une résolution de, la situation mm-hmm. sécuritaire L'un de l'autre, ça a venu à Ouaga, vous l'avez si bien dit, à suscité un tollé tout comme les partisans de rock, on qu'on a vu partir faire le pied de grue pour qu'ils ne sortent pas, pour pouvoir répondre à l'invitation des autorités de la mhm. transition. Même si ces autorités, selon leur démarche, euh, il ne faudrait pas que l'opinion pense que c'est une façon de le soustraire à, la sanction euh, judiciaire de mhm. son pays. Mhm. L'un de l'autre, le temps nous le dira. Mais toujours est-il que euh, la conclusion que moi je garde, que je tire, c'est qu'on a l'impression que la situation est en train de dépasser, mhm. la situation sécuritaire s'entend est en train de dépasser les autorités de la transition. C'est mhm. comme si c'est cette navigation à vue euh, qu'elles sont en train de faire. Hassan Boukara, même si ce retour euh, de Blaise au Burkina Faso s'inscrit dans une dynamique de réconciliation nationale engagée par l'actuel chef de l'État, comme on l'a appris, ce retour a été vraiment diversement euh, apprécié par la population qui, pour certains, euh, il devrait être aussitôt arrêté à son arrivée. Vous, vraiment, qu'est-ce que vous retenez vraiment de ce retour de Blaise au Burkina Faso Je pense qu'il arrive euh, au Burkina dans un contexte particulier. il y a ces deux dimensions, notamment auxquelles mes prédécesseurs ont fait allusion, c'est-à-dire cette volonté de réconciliation. parce que quand même, derrière Blaise, il y a un camp politique et donc il y a une partie du Burkina qui se retrouve encore avec lui. N'oubliez pas que pendant des décennies, il a quand même présidé au destiné du Burkina. Ce n'est mm-hmm. pas n'importe qui de ce point de vue-là. Deuxièmement, il y a le fait que la gente aujourd'hui, elle a du mal, comme Sidukou l'a expliqué, à s'en sortir sur les questions sécuritaires. Et donc, c'est à quoi mm-hmm. la gente appelle, c'est de dire on veut l'unité des Burkinabés pour faire face à l'ennemi commun. Mm-hmm. Or, l'unité, ça a un coût, ça a un prix. Est-ce que on va sacrifier les attentes de la famille Sankara, des, des organismes de défense des droits humains, des victimes de l'ère blaise, hmm. au nom de l'unité nationale et de la sécurité, pour ramener Blaise qui est parti en euh, Katimini, qui, est parti chassé par les Burkinabés. Hmm. Je pense que c'est un peu là aujourd'hui la question au Burkina. Alors, euh, quand on invite Blaise, euh, euh, Marc Roc, Christian Caboret, tout ça, ça montre aussi que la gente la a, besoin, Elle a du mal à s'en sortir. Alors, elle fait appel aux autres. Il y a sans doute la question de sécurité, mais aussi la question politique. Hein. Mhm, mhm, mhm. Donc, ce pays, quand même, elle a la croisée des chemins. Il faut trouver les moyens. Mais c'est toujours délicat. Euh, je crois que euh, je ne pas être à la place de, ceux, qui gèrent cette transition. Mhm. Euh, quelqu'un qui s'est rendu coupable du, meurtre de Sankara. Toute l'Afrique attend justice mhm, hein, mhm, autour de Sankara. Alors, il y a eu un verdict et normalement, ce verdict doit être mis en application. Il y a des pays qui ont réglé les choses en amont en disant euh, je crois que la Gambie l'a tenté récemment, euh, sauf si je me trompe. La Côte d'Ivoire l'a fait autour des événements de la crise politique qu'elle a mhm. vécu. C'est de dire justice et réconciliation. Mhm, mhm. Qu'est-ce que je fais On crée un cadre pour que la vérité soit connue par l'opinion afin de pardonner. Mais dans le cas de, de, Blaise Compaoré, puisqu'il y a d'autres qui sont déjà arrêtés euh, dans la même affaire, lui, il est condamné. Vous ne pouvez pas, du point de vue du droit, expliquer qu'il puisse venir tranquille à Ouaga et ça, cela veut ça, c'est un vrai mhm, mhm. Maintenant, la jeune subit euh, des pressions, c'est évident. Il y a déjà tout ce problème avec la CDAO, il y a le fait que le Burkina, comme le Mali, mhm. est un pays assez fragile du point de vue de son économie, qui est dépendant de la mhm. Côte d'Ivoire, etc. Un pays comme la Côte d'Ivoire a forcément de l'influence sur le mhm. Burkina. Regardez tous ces ressortissants burkinabés qui vivent en Côte d'Ivoire. C'est le pays qui ravitaille le Burkina. Donc, ils ont aussi d'autres moyens de pression. Je pense que la gente devra aussi subir des pressions. Maintenant, euh, c'est tout les attentes. Autour de ce Il y a <laughs> énormément, il y a une sorte d'imbroglio, dans laquelle euh, mhm. gérer les choses est extrêmement mhm. difficile. C'est-à-dire maintenant, qu'est-ce qu'il faut mettre en avant mhm. Faut-il sacrifier une décision de justice la justice, justement, oui. Avec, le verdict, des euh, victimes, tout ça au, au profit d'unité nationale. Parce que quand on dit unité nationale, on dit aussi euh, Blaise est tombé, Marc Rock qui partage presque la même famille politique que lui est tombé. C'est comment faire l'unité des Burkinabés et tourner une page à aller mhm. vers des élections et, remettre le pays. Bon, là, euh, évidemment, si on n'arrive pas à se parler, c'est difficile. Mhm. Or, il y a quand même beaucoup de divisions. Euh, si vous vous rappelez, ce que faisaient les partisans de euh, Macron, Christian Caboret, une mhm. façon de dire, c'est lui qui t'a fait tomber, laisse-le gérer ses problèmes. C'est un peu ça leur attitude. Je pense que le Burkina, comme le Mali, mm-hmm. vit une situation assez, assez particulière. Mm-hmm. Et ce qui aurait donné beaucoup de pouvoir et de légitimité à la jeune, c'est qu'ils puissent faire face aux défis mm-hmm. sécuritaires. Pour l'instant, ils ne sont pas sur ce terrain-là. Donc, ça fait que c'est vraiment une situation difficile aujourd'hui au Burkina. Une situation difficile, et pour rappel, vraiment. Euh, Blaise, il a été condamné le 6 avril pour son rôle de l'assassinat de, de, Sankara. C'est-à-dire que le verdict de la justice burkinabé est remis en cause, c'est euh, du quelle euh, sera la suite vraiment de cette situation euh, le choix cornélien s'impose se, aux autorités euh, de la gente. Maintenant, ils ont ce surré dilemme entre faire abstraction ou bien, disons, faire fi de la décision judiciaire au détriment de l'unité et la réconciliation nationale, ce qui serait peu probable vu le tollé qu'avait suscité le retour de Blaise, ou bien vraiment se plier à cette décision de justice et a euh, écarté quand même certains acteurs. à mhm. l'a si bien dit. Blaise, il a dirigé de main de faire le pays d'une vingtaine d'années. Mhm, mhm. Donc vraiment, Blaise, c'est Blaise. Et jusque-là, d'aucuns pense que euh, son nombre plane sur, euh, dans la gestion de la cité. Donc maintenant aux autorités de savoir comment s'y prendre, mais mhm. toujours est-il que euh, ils sont, le temps les tient à la gorge au regard de ceux qui nous sommes en train de vivre euh, sur le terrain, notamment sur le plan comme sécuritaire. Comme le disent les Américains, wait and see. Oui, <laughs> mais on rapidement. Mhm. C'est trop tôt cette mhm. réconciliation nationale. On devrait d'abord, ils devraient d'abord mettre, euh, faire la situation au niveau, à leur niveau, avant d'amener l'ancien président. Il faut d'abord réconcilier ceux qui sont déjà là. Mhm. Ça veut dire quoi Les partisans déjà de Kabore qui sont là, qui ne sont pas d'accord. Mhm. Et il y a ceux qui sont en prison mhm. par la faute, je dis bien, de, de, de, de Blaise Compaoré. Est-ce puisque... qu'on pourrait faire euh, cette démarche de réconciliation en mettant Blaise euh, de côté non, nous, nous suis en train euh, on devrait, nous allons voir la suite, la suite vraiment de cette situation. Avant de le ramener, parce que là, c'est un autre problème. Justice et la gestion du pays. Merci. Donc, euh, nous restons toujours à l'international. Pour terminer, 49 militaires ivoiriens ont été arrêtés dimanche dernier à l'aéroport de, Bamako par les autorités maliennes, rapporte le studio Tamani le mardi 13 juillet. Le gouvernement malien de transition considère ces militaires comme des mercenaires car ils sont arrivés sur son territoire sans autorisation, indique la même source. Hassan Boukara, comment comprendre vraiment cette situation, bien que dans un communiqué de la présidence de la Côte d'Ivoire relayé par les journaux en ligne ivoiriens, il est dit que ces militaires sont régulièrement inscrits dans l'effectif de l'armée ivoirienne et se trouvaient au Mali dans le cadre des opérations des éléments nationaux de soutien. Comment comprendre vraiment cette situation oh, la, Côte d'Ivoire est sur la défensive. Hein. Je pense qu'ils ont du mal à convaincre euh, euh, du mandat de ces, militaires. Mm-hmm. On sait que c'est des militaires ivoiriens qui se retrouvent sur un autre territoire. Sans autorisation. Voilà, sans, sans vraiment un mandat précis et tout ça. Et du coup, il y a vraiment quelque chose qui n'est pas clair. Alors, le premier niveau, c'est que euh, déjà, malgré la sortie des Ivoiriens, la malienne a quand même communiqué en disant on a pris contact avec la hiérarchie militaire mhm. ivoirienne, on a parlé avec la et tout laisse croire que personne n'est capable de savoir pourquoi ces gens sont là. Le motif. voilà, donc il y a un flou autour de ça. On a beau dire qu'ils sont la énième, euh, n'est-ce pas, équipe qui mhm. vient dans le cadre justement des opérations, de soutien. Euh, il y a eu un oui puis un non avec l'aménagement. Du coup, il y a vraiment une zone d'ombre qu'il faut lever et pour l'instant, ce n'est pas levé. Mhm. Deuxième chose, ça, ça témoigne de, des tensions qu'il y a encore entre le Mali et ses voisins, mhm. malgré la levée des de, de l'embargo de la CDAO ça montre encore que la tension est forte mhm. entre, entre ces pays. Je pense que l'équipe euh, qui dirige à Bamako, elle a toujours l'impression que euh, certaines puissances cherchent à déstabiliser le Mali. Mhm, à mhm. défaut de le faire directement, elle le ferait par pays interposés. Et la Côte d'Ivoire a souvent été citée. Je pense qu'à un moment, sur les réseaux sociaux, des informations ont déjà couru selon lesquelles euh, la France mettrait des moyens, n'est-ce pas, pour déstabiliser la, malienne, euh, etc. etc. Euh, Puisque l'embargo, l'embargo aussi s'inscrit. Enfin, en tout cas, selon, selon certaines sources, ça mhm. s'inscrit aussi selon un schéma de déstabilisation, l'enjeu étant de faire tomber la junte après quelques semaines d'embargo et tout mhm. ça. Mhm. Donc, l'équipe qui dirige à Bamako considère qu'il y a toujours des mains étrangères qui manipulent la sous-région. Mhm, mhm. L'enjeu est de déstabiliser la transition malienne. Donc, euh, rapidement, nous sommes presque à la fin. Voilà. Donc, une des raisons, c'est que le chemin qui est emprunté par le Mali aujourd'hui, c'est un chemin plein d'enjeux, mhm. à la fois pour le Mali, mais aussi pour ses partenaires, pour la sous-région aussi. Dans un précaré français où les choses étaient en ordre, contrôlées par Paris, Aujourd'hui, il faut l'exception et donc personne ne veut, en tout cas pas, les Français, mhm. que cette affaire fasse tache d'huile. Donc si les gens ont le moyens de déstabiliser le Mali, ils le feraient parce que le Mali veut maintenant véritablement son indépendance. Mhm. Et ça, c'est ça a un coût, ça ne va pas être facile. Vous, Mémona, quelle lecture faites-vous de cette situation je ferai à peu près la même lecture mhm. que mon prédécesseur. Mhm. Euh, tout ce que je pourrais dire, c'est qu'il n'est pas du tout normal qu'un pays comme le Mali et la mhm. Côte d'Ivoire puissent envoyer euh, clandestinement 49 militaires sans mettre au courant, au parfum, euh, les autorités maliennes. Moi, je pense que bah, s'il y a aujourd'hui un ministère de la Défense, il y a un ministère de la Défense au niveau de la Côte d'Ivoire. Mm, mm, mm. Donc, ça veut dire que le ministère des Affaires étrangères et tout, ils sont là, en tout cas, pour relayer l'information. Mais quand on surprend on, clandestinement 49 militaires pour le Mali, c'est vraiment des milices. Il faut se demander. Il faut se demander. Ils ont raison de les considérer des comme des mercenaires. Ils ont raison de les considérer comme des mercenaires. Mhm. Surtout qu'ils savent déjà la position du président de la Côte d'Ivoire par rapport à cette situation qui se trouve, euh, à cette situation du Mali. Mhm. Il n'a jamais gommé le fait qu'il y ait coup d'État mhm. au Mali. Et il était également pas content du tout pour ce qui est de la levée de l'embargo au Mali. Donc ça veut dire que ils ont le Mali aujourd'hui, les dirigeants du Mali ont de quoi se méfier mhm. de la Côte d'Ivoire. Mhm. Parce qu'ils voient en plus de la Côte d'Ivoire euh, le missionnaire de la France. Mhm. Donc c'est situation. C'est une situation un <laughs> peu compliqué. Un peu flou, comme le dit Hassan. un peu flou, <laughs> mm-hmm. mais bon, on, verra avec le temps ce que ça va donner. mais tout ce qui est sûr, ils mm-hmm. n'ont pas confiance en tout cas à la Côte d'Ivoire. Je ne dis pas à la Côte d'Ivoire, mais ils n'ont pas confiance au président de la Côte d'Ivoire. Avec le temps, on verra bien euh, sur cette euh, situation. Mais vous, euh, du coup, selon vous, quel impact cette situation pourrait avoir sur les relations des deux pays Déjà, les relations, elles sont <laughs> assez tendues. Mhm. <laughs> donc, euh, c'est des pays qui ne sont pas en odeur de sainteté l'un vis-à-vis de l'autre. Mais toujours est-il que je pense que euh, les autorités maliennes, dès au départ, en adoptant cette posture de ne plus vouloir euh, se retrouver comme à l'époque coloniale, elles mhm. savent à quoi s'en tenir et à quoi s'y prendre. Mhm. Donc moi je pense que ce n'est pas de nature à vraiment à stabiliser ou bien disons à mettre de la calmie à travers euh, le Mali et l'instance qu'est la CDAO, moi je pense euh, que les gens ne tablent pas qu'ils soient militaires ou pas, non, c'est-à-dire c'est quoi le projet. Mhm. Donc c'est là où beaucoup pensent que euh, est-ce qu'ils ne seraient pas en train de vouloir être la main armée de la mhm. puissance colonisatrice mhm. qui a jusque-là au travers de la gorge la posture adoptée par les autorités maliennes. L'un de l'autre, comme on le dit, le temps, il est meilleur. et le tribunal de l'histoire certainement ne manquera pas de euh, rendra son verdict. On saura qui qui qui a fait quoi. <laughs> et c'est ici donc euh, que s'achève euh, le forum de la presse de ce vendredi. Chers auditeurs, auditrices de Studio Kalangu, fidèles téléspectateurs et téléspectatrices de Studio Kalangu, ici prend fin le décryptage de l'actualité de cette semaine. Merci à nos invités, Memouna Diado, journaliste indépendante, Hassan Boukara, journaliste à la radio alternative et Sidi Kousmana, journaliste Indépendant, Merci d'être venu. Rendez-vous samedi et dimanche dès 17h sur nos 52 radios pour suivre l'actu des jeunes suivi de tous à la FADA. Et à partir de 18h à 15 minutes les samedis et dimanches, vous suivrez les forums de Studio Kalango. La technique est assurée par Amina Hassan à la régie vidéo Is Je suis fils Adam Sirfo à la modération. À très bientôt.